Le choix porté sur l'île de Djogé dans le département de Bignona pour marquer la célébration de la journée internationale de l'environnement n'est pas fortuit. Les populations locales sont vraiment touchées de plein fouet par le changement climatique. Et elles sont parmi les populations qui sont le plus touchées et impactées au Sénégal. Les conséquences liées au changement climatique sont énormes sur les populations des îles de la Basse-Casamance, reconnaît la représentante du PNUD au Sénégal. Cela a un impact dramatique sur l'accès aux services de base, sur les opportunités économiques surtout pour les jeunes. Si l'on en prend garde, cette situation pourrait accentuer l'exode rural des jeunes, selon le docteur Boubacar Dembaba du réseau Casamance. Nous savons que sans les terres, nous ne pouvons pas développer nos activités agricoles et l'appauvrissement des terres a pour conséquence l'appauvrissement au niveau des ménages et ce qui va entraîner donc l'exode rural. Toute chose qui amène la représentante du programme des Nations Unies pour le développement à tirer la sonnette d'alarme. C'est vraiment pour ça que nous avons décidé de venir sur l'île de Djogé pour tirer une sonnette d'alarme. Pour faire face à ce phénomène qui impacte négativement sur le quotidien des populations, l'adjoint sous-préfet de Katabaon appelle à un changement de comportement. Nous assistons à la dégradation de nos terres, à une baisse des rendements agricoles, à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Pour inverser la tendance, un changement de comportement s'impose à nous tous tànneef bu il bu jógee ca département bu Bignona ngir màggal bés bu ñu jagleel wàllum environnement nekkul neen. les populations locales sont vraiment touchées de plein fouet. par le changement climatique. Conséquence nga xamantene ñu ngi tukkee ci changement climatique ya nekk na lu reey lol ci askan wi. cela a un impact dramatique. bu ñu deful dara situation bi lee mën na tax ndaw ñi daal di gën di daw seen dëkk ya lolé di xalaat bu docteur Boubacar Demba Ba bu réseau Casamance. àll bu amul ay garab. Euh, ndoxu taw bi bu ñëwee da koy lessiver donc sol bi day pauvre te su boobaa nit ñi duñu mën a béy euh, te xam nañu ni fii béy mooy seen activité économique bi. li ni mel moo tax représentante bu programme des Nations Unies pour le développement daal di tirer sonnette d'alarme ba. c'est vraiment pour ça que nous avons décidé de venir sur l'île de Diogé pour tirer une sonnette d'alarme. ngir acte ak phénomène li nga xamantene mu ngi impacté négativement ci dundin askan wi adjoint bu sous-préfet bu Kataba 1 daal di ci ab changement bu comportement yi. comportement bi nga xamantene ñun ñëpp war nañ ko am dafa wara nek un comportement responsable suñu bëggé également xex li fi nek.